Je vais juste revenir par rapport à une question que j'ai peut-être oubliée et que euh, mon camarade, le collègue euh, Christian a fait part, à savoir le terrain fou. Hein? devait être une information. Je rappelle qu'en réalité, il faut que le collègue Khamlal ce rôle. Une fois que le budget est voté, c'est nous, maires, c'est à nous exécuter. Terrain four, mooy lu fa nar a def bokkul si lu exécuté bokkul si lu ñuy exécuté lu ñu fi fekk la et que je pense que les gens avaient déjà informé au conseil municipal ne leen Pape Seck dafa waroon tabax benn terrain au niveau de en face de l'église gars yi ne ko noo du fi mais loolu nag ça fait maintenant deux ans il faudrait qu'on le mette quelque part ñun ñu partage ak la population directement le conseil euh, les présidents de conseil de conseil de quartier. Parce qu'il ne faut pas, au-delà d'être élus que nous sommes, mais les présidents de conseil quartier aussi portent entre guillemets un mandat de la population. Et on a parlé avec eux pour partager l'information Et que moi, personnellement, personnellement, c'est moi qui me suis déplacé il y a peut de six mois pour leur dire de football. Parce que HLM5, en réalité, à tout instant, il fallait qu'on y fasse quelque chose man m'ai déplacé où j'ai vu la population Moussa qui est là en est témoin il y avait aussi des agents de la mairie mais quand je sors pour que les gens disent qu'ils n'étaient pas au courant ça me semble bizarre parce que man sama il y a peut de quatre mois on a avec l'équipe technique de la mairie on a fait des levées topographiques pour voir est-ce que le promoteur serait apte à délocaliser le projet qui devait être devant l'église au niveau de la, de la, oh, du quartier HLM 5. c'était par exemple au moins euh, montrer à la population des HLM 5 que vos soucis restent prioritairement l'accès à un terrain, moins, euh, terrain praticable. Et ils étaient en phase. Moi, je me dis on n'est pas informé, avec information, nous l'avons